le forum du studio le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio Calamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Allô, Maria Makenda, vous êtes toujours à l'écoute du studio Kalangou. Il est 18h passé de 15 minutes. Bienvenue à tous. Le forum de studio Kalangou, c'est cet espace d'échange, de débat de sujets qui préoccupent les populations et c'est tous les soirs du lundi au vendredi. Ce soir, nous recevons, nous revenons sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive puisqu'il concerne la jeunesse. Il s'agit du rôle de la musique, de paroles de chansons et de leur impact dans la vie sociale. Y a-t-il un débat entre les tenants de la bienséance et les acteurs de la liberté de la presse vous vous en souvenez, nous en parlions le lundi dernier des chansons qui font la promotion de la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, nous poursuivons le débat avec d'autres acteurs euh, de la culture nigérienne et nous aurons un point de vue féminin. Pour cela, nous aurons des invités et je parle de chanteurs et d'acteurs culturels dans ce forum. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de prendre part à ce rendez-vous quotidien. Comme annoncé, je reçois pour vous dans ce studio deux icônes de la culture nigérienne. Il s'agit de Aïcha Tou, on l'appelle Dankwali Château du groupe euh, Soga. Aïchatou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à nous. Euh, nous aurons tout à l'heure, nous saurons tout à l'heure pourquoi ce surnom. Et le deuxième invité est aussi une femme. Je vous l'avais dit, elle c'est Aminata Isaka, promotrice d'un festival Parole de femmes. Aminata, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'être venu au studio Kalangou. Et nous allons donc débuter la première partie de cette euh, émission. Je le disais le lundi dernier, nous avons interrogé plusieurs acteurs culturels sur les chansons qui font la promotion de la dépravation des mœurs. Entre autres, voici un groupe qui fait objet de critiques, c'est le groupe Tal National. Nous allons justement écouter le titre Cani euh, Zoin du groupe euh, Tal du Tal National nous allons écouter d'abord euh, l'interview que nous a accordé le promoteur, euh, euh, le directeur pardon artistique du groupe Tal National, Almeida, avant de revenir donc sur cette musique. Il y a un certain nombre de critiques qui se fait autour de la musique euh, du groupe Tal National et jusqu'à présent, on entend dire que euh, le groupe Tal National, à travers sa musique, pervertit un peu la société nigérienne, pervertit un peu les femmes. Mhm. Et, que répondez-vous à, ces reproches, à ces constats, à ces critiques Oui, euh, c'est des, critiques qui, viennent à juste titre parce que Tal National a toujours chanté la femme. Et vous comprenez bien qu'en magnifiant la femme, en chantant la femme, qui est le noyau de la société, et vous n'êtes pas sans savoir que vous serez mal vu par la religion. Ça, c'est évident. Donc, euh, ceux qui lancent certaines critiques à l'endroit de, de, de, nos chansons parce que nous magnifions la femme, nous crions la beauté de la femme nigérienne, c'est normal. D'autres pays l'ont fait avant nous et d'autres pays ont gagné le marché grâce à ça. Il n'y a pas seulement que, que, la chanson et les paroles, entre guillemets, c'est pas moi, c'est donc l'opinion et que je rapporte vulgaire, des femmes qui dansent de façon vulgaire. Et est-ce que cela, c'est magnifier la femme Et puis, tous les pays ne sont pas le Niger. Le Niger est un pays reconnu, comme on le dit, euh, un, pays où le pourcentage de musulmans est très haut, 99% de musulmans. Entre guillemets, j'ai les guillemets ici sur ce pourcentage de, musulmans. Et c'est vrai, c'est un pays musulman. Moi, moi étant un musulman, mais je fais de la musique. Euh, euh, la tolérance fait que dans, nous allons vivre dans un pays laïque où que chacun, n'est-ce pas, choisit sa religion. Moi, j'ai choisi l'islam comme religion. Tout le monde le sait que je suis musulman. Pour ce qui concerne la musique, la danse de la musique internationale, aujourd'hui, n'importe quelle musique que vous allez mettre, peut la danser de plusieurs manières. Donc la danse que les femmes font dans notre musique, nous ne portons pas entièrement la, responsabilité parce que toutes les musiques africaines sont des danses de, l'expression corporelle. Et c'est des danses qui sont aussi, même pas d'état national, qui sont de le répertoire d'état traditionnel. Quand vous voyez les femmes de Difa danser, vous allez voir que dansent de, dansent de, la même manière. Quand vous partez à Gaïa, au sud du Niger, vous voyez que c'est la danse aussi du, postérieur. Ce qui effectivement heurte la moralité de certains, mais pour nous, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Mais c'est avec quand même des, quand même des modifications, des innovations, aggrave un peu euh, cette danse Oui, on a, tenté de changer, on a tenté de faire tout pour, euh, pour ne pas exagérer, mais le public qui, qui reçoit la musique, euh, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que de ce qu'ils pensent de la musique. C'est eux qui, exagèrent le plus souvent, mais nous, à l'origine, ce n'est pas la danse que nous avons affectée à la chanson, c'est les femmes qui déterminent la danse qu'ils vont faire à cette chanson. Comme vous savez très bien, nous sommes guidés par les fans, donc euh, ce n'est pas aussi un problème. Nous en sommes aussi des messages, nous prêchons aussi dans nos, dans nos chansons. Ça, on le dit pas. Nous faisons des prêches dans nos chansons. Quand vous voyez la chanson que vous avez arrêté tout à l'heure là, c'est un prêche quand on parle aux femmes de respecter les maris, de respecter de faire bien, il faut bien faire les, choses au mari, parce que le mari, c'est lui qui donne le paradis, etc., etc. Ça, c'est un prêche. Et le prêche qui sera entendu par des millions, des millions de, gens, des femmes. Donc, vous voyez, c'est, il faut pas seulement voir l'aspect négatif de cela. Toute chose, la vie, c'est un aspect négatif, et un aspect positif. Le plus souvent au Niger, on prend l'aspect négatif pour le mettre sur le plateau, pour le montrer aux yeux du monde. L'aspect positif importe peu. Non, nous faisons les choses de part et d'autre. C'était donc le directeur artistique euh, du groupe Tal Issoufou Amadel Moumen dit Almeida. Euh, je vous l'annonçais tout à l'heure, il s'agit donc euh, de cette euh, chanson du groupe Tal, Zonzome Kabahamni, que nous allons écouter. zalle masaudu si banda banda ai goga fulanai kwara fonnai sonzor bai kabami ai ta tangi ga tojiyo ga sonzor bai kabami ina madangai se gigiyo ga sonzor bai kabami almaira fulanai ai basiyanno fulan kulkan sinda haunya isano wanda kira mai ni igano satara na magandai haka nan ne in ji yausa sonzor bai kabami ahita tangiga to giyoga zonzor mai gaba ina madangai sai gigiyoga zonzor mai gaba ai ne dodo kai na sambo murgano ai na sambo kindo sa jora ne na sambo kindo girbi gano ai na sambo kindo talla sonala man dono kai na te bayan sai nai na te fada fada sai te bano do nai ga koi yan talai zai nai ga ce farhezi musa nai ga ce ai lehzan kai nai ga koi ya farhezi elo nai ga ce fetiya lidu nai ga ce awa gande nai ga ce fada dimil nai ga ye munna dimil nai ga koi suma dimil nai ga ce eme dimil nai ga ce Vous venez donc d'entendre Zonzome Kabahamni du groupe euh, Tal. Euh, lundi dernier, je, nous avons recueilli un certain nombre de, de, réactions sur le rôle véritable de la musique. Parmi ces entretiens, celui du secrétaire général du réseau des journalistes culturels du Niger, le RJCN. On l'écoute. Quand vous regardez euh, le texte constitutif du RJCN, du réseau des journalistes culturels du Niger, la question de euh, d'éthique ont été prise en compte par les membres fondateurs du réseau, quand on sait que l'un des objectifs majeurs qu'on s'est assigné à, à ce réseau, la promotion de la culture nigérienne en général, donc la musique, nigériennes y compris. Nous, nous, essayons de, de faire un retour vers les valeurs qui puissent apporter un plus dans la promotion de, de, la culture nigérienne. Et lorsqu'on parle de culture, on parle de l'éducation. Ça veut dire que le réseau ne peut pas euh, faire la promotion de la musique qui a une tendance à faire la promotion de la, de la de mers. C'est dire quoi c'est dire que nous, dans le combat qu'on fait de tous les jours, c'est faire la promotion de la musique qui euh, s'appuie sur les valeurs culturelles, y compris euh, les, mers nigériennes. Et c'est cet aspect-là que le réseau euh, s'engage dans les autres compartiments de, culture, quand vous prenez la musique, l'art et les autres, la peinture on ne peut pas faire la promotion de, quelque chose qui puisse être nuisible à la société. Est-ce que euh, vous avez peut-être euh, euh, répertorié un certain nombre de, chanteurs dans, ce sens qui font peut-être du bon boulot ou est-ce que vous avez aussi répertorié des, chanteurs ou un groupe qui rentrent dans, cette ligne dont, dans cette ligne dont vous venez de parler on fait, on essaye de voir quels sont les, artistes, quelles sont les chansons qui participent au développement de la culture nigérienne et au-delà qui puissent eh, apporter économiquement un plus et au Niger et aux, promoteurs de ces, eh, de ces chansons-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on devrait faire la part des choses entre la chanson qui participe au développement de la culture et la chanson qui participe à la destruction même de cette culture-là. Vous savez que euh, nous, à partir de là, on fait, personnellement, je fais une lecture de des chansons d'animation, des chansons, euh, ce qu'on peut appeler des fois dans le répertoire de la musique urbaine. Il y a des musiques qui ont vocation d'amuser le public, d'entretenir le public en haleine, mais qui n'a pas une vocation à faire la promotion de la culture ou à aller loin. On le voit euh, tous les jours. Euh, ces chansons-là, d'ailleurs, ont fait l'objet par beaucoup de citoyens nigériens de, de, remarques. Notamment euh, quand vous prenez des chansons qui ne vont pas au studio, ce ne, ce ne sont pas des chansons qui vont euh, au studio, mais c'est toujours des chansons des cérémonies, c'est des chansons de manifestation qui prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, quand vous regardez les musiques, la, musique urbaine n'a d'autre contenu que ce, genre de, d'expression perverse. Euh, aujourd'hui, un exemple palpable d'un groupe qui actuellement, euh, en tout cas, est un groupe qui est connu mondialement, le Tal National par exemple. Et, que, pensez-vous de, ce groupe, euh, de ses chansons et puis, en tout cas, de tout ce que ce groupe-là fait Est-ce qu'on peut dire que le Tal National aujourd'hui, en fonction de ce que vous venez d'expliquer, fait partie des, des, des de, ces chanteurs, de ces artistes, de ces musiciens qui font la promotion de la culture, de la musique nigérienne. Ah oui, je pense que le Tal a, déjà dépassé le frontière. Il a fait connaître le Niger à l'international. Mais lorsqu'on parle de la culture nigérienne, il faut voir tous ces aspects-là. Lorsque euh, un groupe a une aura plus ou moins internationale, il peut nécessairement pas avoir un ancrage au plan national. Mais il peut, il peut avoir aussi l'inverse. Un groupe euh, musical qui a un ancrage national, mais qui n'a pas une portée internationale, ça veut dire qu'il n'arrive pas à convaincre au plan international. Mais l'un de l'autre, puisque nous parlons de la culture nigérienne, nous, ce qu'on veut ressortir, à l'image d'autres pays, c'est qu'ils consentent le répertoire d'une musique nigérienne. Et dans ce répertoire-là, on doit faire la promotion de valeurs positives, de valeurs de développement, de valeurs qui puissent apporter, qui puissent éduquer, sensibiliser, euh, que le folklorique puisqu'on a l'impression que c'est les musiques de... Il y a ce que j'appelle la musique urbaine, c'est cette musique de boîte de nuit, de spectacle qui amuse les jeunes, les adolescents, mais qui n'est pas porteuse de, messages, de, de sensibilisation, d'éducation. Est-ce que le TAL aujourd'hui, à travers ces que les, chanteurs de ce groupe disent à travers les paroles, à travers les danses, à travers l'incitation des, par exemple, des gestes vulgaires. Ce groupe-là répond sur le plan national à, quand même euh, un groupe qui fait la promotion de la culture nigérienne. Il y a la promotion de la culture nigérienne. Maintenant, c'est dans la culture nigérienne, puisque à travers Tal, euh, il y a une identité, une identité culturelle qui se retrouve. Et même musicalement parlant, comme on dit, il y a une identité identité culturelle qui s'exprime à travers la, la Mais l'un de l'autre, lorsque vous regardez, euh, lorsqu'on parle de contenu et lorsqu'on parle du décor, est-ce que à 100% on retrouve euh, cet aspect éducation cet aspect formation, puisque le, groupe euh, musicaux ont aussi vocation à former, à sensibiliser. Il y a cet aspect-là. C'est pour cela que je parle de la musique urbaine. Dans beaucoup de, vous trouverez des chansons qui ont vocation à faire la promotion de la musique nigérienne et vous trouverez aussi des de chansons qui ont vocation folklorique, qui n'a rien à voir avec l'éducation. Qui n'a Alors qu'est-ce qu'on peut reprocher au, au TAL Je pense que c'est de continuer à réfléchir, c'est de continuer à écouter les Nigériens, c'est de continuer à, voir au-delà de cet aspect folklorique, au-delà euh, de cet aspect attrayant pour les jeunes, quel est le message qu'il faut profiter. Aujourd'hui, ils ont un ancrage, certes national et international, mais ils doivent saisir cet ancrage-là pour passer un message utile Tal est écouté par la jeunesse nigérienne, donc il a une autre mission, celle d'éduquer, celle de faire passer un message. Je pense que c'est à cette deuxième étape que Tal devrait penser. Euh, je ne sais pas s'ils sont déjà dans cette vocation, je ne sais pas s'ils sont dans les studios, mais je pense qu'ils sont dans ces répertoires-là. Ils ont ce devoir de faire passer un message, ils ont ce devoir de faire ressusciter la culture nigérienne qui a un certain nombre de valeurs, de mœurs, d'éthique. Ils doivent l'entretenir ils doivent dépasser le passage folklorique. Quand on regarde les danses que qu'effectuent les Fans euh, du tal national. Donc, euh, le, tal incite quand même à une certaine danse que beaucoup de, Nigériens qualifient de danse de, perversion. Mais le tal retorque quand même, parce que nous avons eu à discuter avec ce groupe, que ce sont des, danses traditionnelles, que le tal euh, s'inspire de ces danses, les modifie un tout petit peu et pour rendre plus agréable ces danses ou pour souci de compétitivité Hein, sur le plan mondial. Vous n'avez jamais porté un regard sur euh, ces aspects. Oui, c'est pour cela que je dis que, que le porte, quoi qu'on dise, dans euh, l'expression musicale, y compris la chanson et la danse, il y a un aspect de la culture nigérienne. Peut-être qu'on peut appeler tradit moderne, puisqu'il part à partir de la tradition, il, a, fait un arrangement, il l'adapte au contexte actuel. Euh, ça veut dire que c'est toujours la culture nigérienne, un point de la culture nigérienne que Tal fait passer comme message. Mais quand je regarde au niveau de, euh, du contenu de la chanson, c'est là où je dis, il y a le folklorique, et aussi, il faut penser au message qu'il faut véhiculer. Et ça, c'est pas le propre de, de seulement. On a comme l'impression qu'il y a un souci de s'adapter au temps et aux besoins du public. Et on a un public de plus en plus jeune. C'est le folklorique qui l'intéresse. D'où euh, ce qui oblige les artistes nigériens, vous le voyez ces dernières années, à aller vers plus de folklorique, à l'image par exemple de, de certains genres musicaux de la sous-région, ou même là-bas, si vous voyez, je vous prends un exemple, hein. aujourd'hui la, la musique ivoirienne a fait le tour du monde. Mais même à l'interne, elle fait débat, notamment sur la musique euh, jet set, la musique coupée décalée. Et le zouglou. Et le zouglou. Le zouglou qui est une musique euh, de message, une musique identitaire. Une, une musique engagée. Engagée de combat de revendication. À la différence des coupés décalés où c'est une musique plus ou moins folklorique, c'est plus ou moins une certaine oisiveté qu'on exprime à travers le, euh, coupé décalé, alors que quand vous regardez les Zouglou, c'est un répertoire de revendication. C'est une manière, et ça s'inspire de la tradition ivoirienne. Et c'est une musique qui se vend bien qui se vend bien. Et c'est pour cela que j'ai dit de ne pas oublier que quand on parle d'ambassadeur, puisque un artiste de renommée comme un groupe comme tel, il, il constitue un ambassadeur pour le Niger. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il doit euh, porter un message. Et c'est ça, j'ai dit, il a fait un premier travail exceptionnel, c'est celui de s'imposer. Le second, c'est celui de se mettre dans la robe d'ambassadeur et de passer des messages et à travers d'éduquer ces fans-là. Aujourd'hui, il y a un public extrêmement important. Euh, la population nigérienne est et à, à deux tiers jeunes autour de 15 ans, 17 ans, 16 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces jeunes-là écoutent Tal et aujourd'hui Tal doit avoir ce devoir d'éduquer, de sensibiliser. Vous venez d'entendre Jafaro Maman, le secrétaire général du réseau des journalistes culturels euh, du Niger. À présent, nous nous tournons vers nos invités. J'ai donc euh, Aïchatou, comme je l'avais annoncé, on l'appelle Nankwali du groupe euh, Soga. Aïchatou, vous venez d'entendre les différents sons. Dans, dans, le dernier, la réaction du, du secrétaire général du RJCN. Hein? quelles sont, quelle est votre impression Merci. Euh, bonsoir et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous afin de m'exprimer euh, par rapport à, la culture nigérienne et précisément par rapport à la musique. Bon, en fait, euh, moi je, voudrais un peu nuancer parce que dans ce contexte mondial, euh, par rapport à la musique, par rapport à beaucoup de choses, en fait, il faut libéraliser la parole. Tout le monde n'a pas le même rôle. Nous sommes tous différents par rapport à ce qu'on fait. Tout le monde n'a pas le même. Peut-être on a le même objectif, mais chacun a son chemin à suivre afin d'atteindre ces objectifs-là. Donc, euh, il y a des musiques dans lesquelles rien ne se dit. Mais aujourd'hui, ils sont au top. Ils ne disent rien de la chanson. Ils sont au top. Est-ce qu'on peut dire que ces musiques n'apportent rien pour leur pays Si, ils apportent. Parce que quand les artistes qui ont chanté ces, musiques, quand elles tournent, elles nourrissent des familles. ces artistes nourrissent des familles. Par rapport à l'économie, ils apportent. Donc, il faut faire le pour et le contre. Par rapport à la musique de Tal, moi, quand j'écoute, deux fois, il y a des danses. En fait, quand Almeida dit que c'est les femmes qui imposent la danse, ça se vérifie deux fois. Le public, certains, en fait, euh, derrière les rideaux, ils disent non, c'est pas intéressant ce qu'ils font. Mais quand ils jouent, même si c'est derrière le rideau. Tout le monde secoue la tu tu secoues la tête, tu, veux même bouger. Donc, deux fois, c'est hypocrite ce que nous disons. C'est hypocrite la manière dont nous parlons. Peut-être il y a certaines limites. Il faut, il faut mettre des garde-fous, mais ça ne veut pas dire que cette musique n'apporte rien au pays. Aïchato parle de limites de garde-fou. Nous parlons de la liberté d'expression dans ces chansons. Aminata, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cette liberté d'expression dans, dans, la musique, dans les chansons? Euh, merci. Euh, moi, je dis que je rejoins un peu Aïchatou. Je dis surtout qu'il faut laisser place à la créativité. La musique n'est pas seulement un moyen d'éduquer, de sensibiliser. Il faut aussi donner libre cours à la créativité et l'artiste est libre de créer ce qu'il veut ce n'est pas forcément si à travers la créativité il passe un message, tant mieux. Et puis au Niger, il faut qu'on arrête de se cacher derrière la religion. C'est vrai, on est dans un pays musulman, mais écoute, il faut aussi travailler. Et moi, je me dis que le débat ne se situe pas là. C'est vrai que Tal fait une musique où ça a fait baver beaucoup de personnes, mais où est le mal Aujourd'hui, on écoute, comme tu l'as dit, Aïchetou, on écoute, euh, comment il s'appelle, euh, le, le, musicien ivoirien là, qui chante, il ne dit rien, mais pourtant sa, musique sa musique Arafat. marche. Arafat, Et on écoute aussi euh, l'artiste camerounais qui a chanté Coller la petite. Donc c'était justement, euh, nous, notre souci, c'était de savoir, Aminata, est-ce que si, par exemple, on interdisait ou on critiquait ici les chansons de Tal. Avec l'avènement de l'Internet, euh, euh, est-ce qu'on pouvait, on pourrait peut-être limiter euh, cette, liberté d'expression dans les chansons, par exemple Parce qu'aujourd'hui, on sait que la population pourra accès, avoir accès à l'Internet et autres. Mais oui, on ne peut pas. C'est-à-dire, il faut surtout pas empêcher. Il faut, il faut laisser l'artiste s'exprimer. Moi, je pense qu'il faut donner la liberté à l'artiste de s'exprimer. Et je trouve d'ailleurs qu'ils ne font rien de mal eux, ils s'expriment. Et comme il l'a dit Almeida, c'est les gens qui dansent. Et même quand ils dansent aujourd'hui, quand tu vas au Sénégal, il y a la même danse qu'ils font que, que les gens de Tal font. Et c'est la même chose. Je l'ai vu au Sénégal, je l'ai vu à Bamako. Donc pour moi, le débat ne se situe pas vraiment là-bas. Le débat se situe, c'est comment faire pour faire évoluer la musique nigérienne hors des frontières. C'est surtout ça donc, euh, faire évoluer la musique nigérienne hors des frontières, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission avec cette euh, phrase, juste le temps euh, de souffler un petit peu et de revenir. avait certainement reconnu à travers sa voix mélodieuse, à, travers le rythme de cette euh, chanson. Euh, c'est Aïchatou Dankwali du groupe Soga. Nous venons d'écouter donc euh, Mata, Mata du groupe Soga et, nous allons avec elle à travers donc cette chanson savoir comment les femmes, les femmes artistes, elles véhiculent leur, leur message. Les paroles utilisées par ces artistes sont-elles différente euh, du message masculin. Et donc, euh, c'est de cela qu'il s'agira dans cette deuxième partie avec euh, avec Soga. Je commencerai par elle puisqu'on vient d'écouter cette musique Mata Aïchatou Dankwali. Dites-nous un peu, est-ce que vous, vous avez une façon particulière de, de, véhiculer ce ces messages parce qu'on connaît le groupe Soga, voilà, et on entend, c'est des paroles souvent douces, des tests très forts. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire à ce sujet en fait, c'est pour ça que je dis chacun a son chemin et l'essentiel c'est d'atteindre un, <laughs> objectif qui va faire que euh, ça, progresse au niveau de la culture nigérienne, euh, précisément au niveau de la musique. Nous, le chemin que nous avons choisi, c'est celui d'atteindre un certain nombre de personnes. Nous avons notre population cible nous passons, nous choisissons des thèmes. Et la population cible, c'est laquelle La population cible, on veut toucher les jeunes, on veut toucher euh, deux fois les autorités par rapport à un phénomène. On veut toucher, en fait, ça dépend du thème qu'on choisit. C'est le thème qui, qui, nous fait, en fait, qui fait diriger la chanson vers une population cible. Et nous, nous nous basons surtout sur la sensibilisation et sur l'éducation et on veut plus, on travaille plus sur une musique d'écoute. Une musique euh, que tu ne te fatigueras jamais d'écouter. Une musique en fait euh, qui ne qui sera toujours à la mode parce que ça parle de, de notre vie en société. Nous, c'est le chemin que nous avons choisi. Ça veut dire que vous n'utilisez jamais des paroles crues on évite parce que nous sommes des femmes. Et euh, la femme, en fait, euh, deux fois, elle est appelée à, adoucir un peu, même s'il y a des femmes dynamiques. Tout de suite, euh, dans les couleurs, on parlait des, femmes dynamiques dans leurs chansons, des, des, chanteuses comme Lady Ponce. Elles sont très dynamiques dans ce qu'elles font, mais pas parce qu'elles ne s'inspirent pas de la tradition. Aujourd'hui, on peut s'inspirer d'une tradition qui est très forte, on peut le faire. Mais nous, on a choisi autre chose. Parce que j'ai l'habitude de voir à la télé, une fois, c'est des femmes qui s'exprimaient à travers une danse de vers maradi. Et là, c'est des paroles très crues. Moi, j'ai dit entre griffes, c'est des paroles très vicieuses et j'étais gênée. C'est pas des paroles de femmes, Aïchatou C'est des paroles de femmes. C'est notre société, c'est notre tradition. Quand j'ai dit aux journalistes, ça c'est en direct, c'est choquant ce que ces femmes disent. Mais il m'a dit, c'est notre tradition. On ne peut pas, on ne peut pas mettre dans un œuf fermer. La culture doit s'ouvrir. C'est un pan de la culture nigérienne. Donc je rejoins Ami pour dire qu'on ne peut pas se cacher derrière la religion. Nous aussi, nous avons des choses que peut-être à cause de la religion, on a honte d'écouter, on a, on a honte de, de dire, de regarder, mais ça reste notre tradition. Est-ce que cela, euh, est-ce que cela aujourd'hui euh, explique le fait que quelque part euh, les musiques ou les chansons nigériennes ne sont pas trop trop écoutées non, ça c'est un autre travail à faire. Pour faire sortir la musique nigérienne, ça ce n'est pas ce qui est dit dans la chanson, mais c'est la manière dont on va travailler pour que cette musique sorte. On peut ne pas dire grand-chose dans la musique, mais travailler à ce que cette musique soit au top sur le, plan mondial. Personne ne va se soucier de ce qu'on dit dans la musique. L'essentiel, en fait, qu'on sorte de notre œuf le Nigérien, entre griffes, on aime toujours rester dans notre carcan. Il faut qu'on sorte pour que la culture se développe. nous avons également un festival appelé Parole de femmes. Euh, vous l'avez entendu euh, euh, tout à l'heure à Minata Isaka. Découvrons ensemble ce festival. Nous allons juste écouter un extrait de, de la dernière édition, l'édition 2015. Honorables invités, mesdames et messieurs, Voici l'annonce. Et annonçons tout de suite l'orchestre. Ah, ah. je sais que vous êtes là pour faire la fête avec nous et la fête promet d'être belle parce que ce que femme veut, ce que femme veut, kawo ku da can mu kawo ku ba wuta gatan-gatan ku masu kallo da saurare za a ba ku tarihin wani mahalbi da kuma wata matashi wannan mahalbi shahararren mahalbi na a garinsu ya zama mata tana da tsohon ciki kuma koyau ko gobe ya tahi halbi dawa ba ta yi abin da yake so ba domin ɗan hara kawai ya kasu. Mai kasa zomo, mai kasa zabo har da barewa, amma yau zomo ya samu. Lokacin da ya zo gida nai, mata ta tarbe shi, ta ba shi ruwa, ta aza mai abinci. A lokacin nan ta ce ma mai gida mai kasa muna, ya ce sa hannunki cikin burgami. Ɗan hara guda ya taho da shiya. sa hannu da ta kai cikin burga mai dan hora ya hiraye fir ya ce ina ai sai ke kamo shi haba mai gida ka tausaya mini ka jibi cikin halin da nake aihuwa koyo ko gobe aihuwa duk inda ya tai sai ke kamo shi gudu ta kai gudu ta kai gudu ta kai tana sassaka Vous venez d'écouter donc un extrait de la dernière édition de Paroles de femmes. Aminata, euh, nous avons écouté ensemble euh, une partie de musique, un conte Expliquez-nous rapidement c'est quoi euh, Parole de femme pour permettre à nos auditeurs quand même de, savoir euh, de quoi il s'agit. Donc euh, le festival Parole de Femme, c'est un festival qui donne une tribune à la femme à à la femme en général et surtout euh, surtout à la femme artiste de s'exprimer à travers son art. Et comme tu l'as vu, c'est un festival pluridisciplinaire, donc il accueille des spectacles de théâtre, de contes, de marionnettes, tout ce qui touche à l'art et à la femme. Voilà, donc euh, est-ce que, est que pour vous, femmes artistes, euh, le langage, on, en avait parlé tout à l'heure, était-il euh, cru Une façon très particulière pour vous de véhiculer ce message. Aminata, c'est ce que vous essayez de faire à travers Paroles de femmes, mais cette fois-ci en regroupant des, chanteuses et des, conteurs. Nous avons reconnu donc Soga, le groupe Soga tout à l'heure. Hein. Euh, avant d'être promotrice, je suis comédienne aussi. Donc, en tant que comédienne, je n'ai pas peur de dire tout ce que je dois dire. <laughs> C'est-à-dire, euh, même s'il faut le dire euh, crûment, je n'ai pas peur de m'exprimer en tant qu'artiste, en tant que comédienne. Et quant, quant au festival aussi, vraiment, nous donnons la parole à la femme. Chaque femme peut s'exprimer à travers son art. Soga s'est exprimé à travers sa musique. Et il y a eu des conteuses qui se sont exprimées. Et, c'est comme ça. Donc, euh, il y a une tribune qui est là et qui est dédiée à la femme. La femme peut venir s'exprimer. Il n'y a pas de limite pour dire est-ce qu'on va écouter, c'est que non. La femme est libre de s'exprimer tant que ce qu'elle dit tient la route et qu'elle a quelque chose à montrer, à défendre. Le festival magnifie aussi la femme artiste. Euh, il montre les talents parce que ce n'est pas les talents qui manquent au Niger. Elle est là, elle a du talent, je pense. <laughs> D'accord. Euh, j'imagine que cela n'est pas toujours facile pour vous, femme artiste. Nous sommes au Niger, nous l'avons rappelé tout à l'heure, sous la pesanteur des facteurs sociaux, euh, culturels. Arrivez-vous à vendre facilement euh, vos œuvres, vos chansons Dites-nous pour vous, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que vous pensez que la musique, la musique est est vendue euh, facilement par rapport à, la musique féminine Bon, là, c'est le talent qui joue. Hein. C'est pas le genre. Qu'on soit femme ou homme, c'est ton talent qui va te vendre. Donc, euh, ton talent et ta combativité. Parce que, quel que soit Alpha, en tant qu'artiste, euh, nous vivons tous le même problème. Que ça soit un acteur, en fait, un musicien, que ce soit un comédien, un promoteur de festival, nous sommes tous dans le même problème, c'est le problème de financement et c'est ça qui nous bloque deux fois et nous vivons la même chose, qu'on soit homme ou femme. Donc il faut se battre et il faut accentuer sur le talent, sur l'excellence pour pouvoir euh, vendre ce qu'on fait. Alors, ça veut dire que, euh, en réalité, à part le côté financier, euh, le groupe Soga, particulièrement, euh, vous n'avez pas trop de soucis. Non, pas trop de soucis parce que je remercie les Nigériens parce que quand il s'agit de la femme artiste, quelle qu'elle soit, elle est bien respectée aujourd'hui. Avant, c'était mal vu, mais aujourd'hui, avec Ami, quand on roule dans le Mercedes, on est bien vu. <laughs> D'accord. Et est-ce que, est-ce que Soga prépare euh, un, autre album À quel niveau vous êtes rapidement Oui, Soga a déjà fait un deuxième album après le premier album. Aujourd'hui, nous nous attelons à travailler sur le DVD du deuxième album parce que on a fait un DVD sur le premier, on va faire un DVD sur le deuxième et après on va s'atteler, on va s'investir à produire des clips en fait à, à coups de millions pour que ça soit extraordinaire. Et une idée, des thèmes, toujours les mêmes thèmes, ou cette fois-ci vous apportez euh, une petite euh, euh, amélioration, ou vous allez plus loin, ah, un peu oser On va oser. prochainement, en fait, on va développer des thèmes plus engagés. Ouais, d'accord. on attend, en, attendant, en tout cas, nous, on, va donc euh, attendre impatiemment cet album. Et Aminata, par rapport donc à, votre festival Parole de femmes. Dites-nous cette année et si, euh, euh, et comme l'année passée, vous allez effectivement tenir ce festival. Oui, c'est Inch'Allah. Le, festival est prévu, le festival est prévu en novembre 2017 et ça sera plus élargi parce que en 2015, on avait fait juste 16, euh, 2016, euh, <laughs> merci. <laughs> Parce qu'en 2015, il y a eu juste une résidence compte musique, mais en 2016, il y aura toutes les disciplines et plusieurs pays seront invités lesquels par exemple euh, Il y aura le, enfin la sous-région déjà, l'UOMOA, la CDAO et un peu le Maghreb et puis l'Europe. Et ce sera à, Niamey au Niger ou oui, ça sera à Niamey parce que j'ai voulu déplacer ça, mais ça demande euh, beaucoup plus de moyens. Donc, euh, pour le moment, ça reste à Niamey. Et comment va se faire le choix, par exemple, de la participation des, des, des différents festivaliers euh, j'ai eu la chance de participer au massacre et le marché des arts africains et euh, grâce à cette participation, j'ai pu voir beaucoup de spectacles que j'ai pu identifier et inviter. Ensuite, il y aura un comité qui va sélectionner selon les disciplines et les, groupes retenus. Euh, nous avons quelques minutes pour écouter donc une petite musique du groupe Soga et nous partons en, musique avant de terminer euh, euh, cette émission en beauté. Voilà, c'était donc Sourou du groupe Soga, une chanson qui traite du mariage des enfants, le mariage précoce, euh, une donc sensibilisation de ces femmes, de ces femmes artistes euh, qui incitent les parents donc à attendre, attendre l'âge prévu du mariage. Et c'est donc euh, sur cette belle chanson, fidèles auditeurs, que nous nous disons au revoir. Nous nous donnons donc rendez-vous demain à la même heure à Aïchatou. Kuali. merci infiniment d'avoir effectué ce déplacement. Ce fut un réel plaisir. Et Aminata, pareil aussi. En tout cas, euh, merci d'être de, toujours euh, disponible <laughs> pour la réalisation de nos différentes émissions. Voilà, euh, au revoir.